Nigériens, Nigériens, mes chers compatriotes, au nom de la jeunesse nigérienne, nous vous demandons d'observer une minute de silence à la mémoire du président Tandja Mamadou qui nous a quittés le 24 novembre 2020. Merci. La mort n'est pas un échec définitif à la vie. On peut bel et bien mourir physiquement et continuer à vivre à travers ses œuvres. Allez-y en paix, président Tanja Mamadou. Repos éternel. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la Fada du studio Calabre, relayé sur 46 radios partenaires, repartis aux quatre coins du Niger. Cette semaine, nous allons parler élections. Et oui, bientôt, l'ensemble du pays va rentrer dans l'effervescence des échéances électorales 2020-2021. Les noms des candidats à la prochaine élection présidentielle sont connus. Ils sont 30 candidats dans la course pour la magistrature suprême. Aussi, 171 sièges sont à pouvoir à l'Assemblée nationale. Rabi, dans la première partie d'émission, a parlé des avantages que pourrait y avoir l'utilisation des réseaux sociaux en termes de communication et d'accès à l'information pour des gens. Cependant, dit-on à chaque médaille son revers, et les réseaux sociaux ne font pas exception à la règle. D'ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux quels inconvénient et impact sur les jeunes en cette période Ce serait notre thème du jour à discuter avec nos invités qui vont se présenter dans un instant. Tout ça, la FADA, c'est 35 minutes de discussion, d'échange, musique, chronique. Mr. Olivier, tu pètes la forme ou c'est la forme qui te pète en ce jour sur l'émission tout à la Fada. Eh bien, avec toi, c'est toujours la forme, mon vieux. Donc, gardons la forme. De quoi parle le texte, Olivier On va répondre à une question ou bien des questions. Eh bien, ça sera en gros quelles seront les attributions des élus locaux, ces gens qui vont occuper les mairies dans les jours, les mois à venir. Rendez-vous dans 30 minutes, Olivier, pour donc euh, la chronique. Super. Merci et belle émission, mon frère. Hey. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vos commentaires au 80 06 48 54. Nous vous attendons impatiemment. C'est parti, décollage imminent. L'utilisation des réseaux sociaux, quel inconvénient impact sur les jeunes en cette période C'est la thématique de ce numéro. Tout ça la fada. Monsieur Awadé. nous vous souhaitons la bienvenue sur cette émission. Merci encore, Dandy. Vous êtes euh, membre du directoire euh, du mouvement Tous pour la République. TPLR. Al-Kibla. Tout simplement. Je suis aussi avec M. Moussi. M. Moussi qui nous avons l'habitude de recevoir sur nos émissions. M. Moussi, comment vous allez Oui, je vais bien, je vais bien, Dondi. Tout se passe bien, j'espère. Ça va, Alhamdulillah. vous êtes. Euh, je suis de l'association de jeunes diplomates et politologues, AJDP. Les diplomates et politologues sont sur l'émission, mesdames et messieurs. Nous sommes aussi avec M. Ali. Monsieur Ali de... Mouvement Dynamique Citoyenne. Et vous êtes euh, le trésorier général. Le trésorier général est avec nous, mesdames et messieurs, pour discuter du thème de l'émission du jour. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec cette question. Awade, je commencerai par toi. Les élections, c'est dans deux semaines. La campagne électorale est prévue pour le 3 décembre. Mais déjà, beaucoup de jeunes s'expriment sur les réseaux sociaux. Et vous faites partie de ces jeunes. Comment analysez-vous cette situation de manière sommaire Quel écart ou dérive avez-vous déjà constaté To lalle furo eh, sapayan lokaci wara eh, matkaran na ran question opposé da ayo furta gino ko ina aiwo candidat no e eh, ai goga dimo hankan goga te réseaux sociaux bon e lele hun kuna din gun matkan no bore go réseaux sociaux wo goida bore goga nafanda han foyan furta jey goga na fayante da kan yan bore na fasila bo na fazama hun kuna facebook ko bon din gun gidi whatsapp era wo wo wo hun kun furta jey ni gitu tay wo irne kan wodi no bori furta agani ga subu guna yani ga barkan ga mo a him ga sola suba bori e hin kan ta muri ye gidi image kan montage ko fo sambu bonda nga ga wali bonda wali ma hansi bonda zam si bora partura irna mante me borma bor gun bor bonga gun de bor in bongoka ga fanda ga ga hansi wali fanda bongo ga askanu borse yarin irne wodin mante labo a fallan no irwose de kan nationalité fallan yarin ga irdi yango ga mo labu fallan go irse irhim ga goida siyasa zai lalle zai no amma irga arma ha goidir zaman jama labu manti hankan no bore yi himiga faifai ga kacar cirno ar ma ha goida hankaran ci réseaux sociaux ba aga bori gumbu ne ma hanse ne o monsieur musi ne ma de matkan awaden ci da no qu'est-ce que tu peux il faut non gingi ci ne o comme inconvénient kan no go constater réseaux sociaux merci Dondi bon ce que ce qu'on peut dire à ces sujets c'est que déjà si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui sont euh, en quelque sorte euh, en train de fausser même le jeu euh, électoral, le jeu, démocratique de notre pays. Et ceci parce que tout simplement, si vous regardez les, fausses informations qui circulent sur des candidats, sur euh, leur parti, et en tout cas tout ce qui rentre dans le cadre même de la démocratie aujourd'hui, c'est vraiment lamentable des utilisateurs des réseaux sociaux responsables. C'est ce que nous voulons. Nous sommes jeunes et le Niger est majoritairement jeune. Monsieur Ali, du mouvement MDC, comment appréciez-vous l'implication de la jeunesse dans les débats politiques en cette période électorale sur les réseaux sociaux. Voilà, salam, respect et considération à l'ensemble. Au nom du mouvement Dynamique Citoyenne, ayga profité mhm. ga ga ga sian tonandi niger bora kulga dir baba kan fonda hanna kabir se kan ko ir ko Suji ama yafa ir ko menno barka ginga continue nan kan cina akai din akai me insha Allah mm, kan chance labo kan ga donc euh, matkan jene gun euh réseaux sociaux bon mhm. bor kul kan réseaux sociaux bay mhm. niga ba dinna bora cew haya kaci da sannan ni na hanga niga ba kan bora go matkan telego dan mhm. bar kan se komando go mhm. tela go fora me de komando go orfo sai tela komando bora kan sa go na ga dabari dinna jone hangan niga ba kan batkim go ni gote i go ne u kaga n'o. Mhm. mai no goni mu kaci bora kan ni widin dai no go gi tilize gi figi Sangu misali gi ga jene tutai go de gi tutai gi oh. gi. hari no kan asi

bati burkin tare ko dai buton ke gin na nigo dai buton ko dai matin na sai folara hamno zarma gine wodin sai folara hamu dan folara hamu da go folara wat kan ni banon gin har kagin wa ir ayo sakalai isi ga burkin tare goite zami fo sisi burkin tare goite har kurkan ni goite din to giri waran zaini ci wal giri waita ki nin bai din gocina na fu kurkan ni goci batin bon sai banda sai no goci na donc saka la mbay kan songo ngay komba kurki himga te wala nay da hay kurkan fatti mera suba si suba fa zam zan kai kan goka zam dotti ge wer mu ko guna hadde dir wer du soyr mu ka go roge micro di ci hay kulkan irfun dai gaba c'est parce qu'il dotti kan kandir c'est démocratie il mo mir bon hay il ndir go kan kandir zan kai c'est ka char wo réseaux sociaux bon char mutuncin wa hayo kan zan kai eh, asaka lai gote bata harin kan ga labocina Asila Bochina, abokina borsi dibon ga tare iga kan rezo sosai bonga wat fataka irin tangam tare gannar sigidi ai donc tari sani ni bore kan hangani se im gun no go sala bor kul kan ko go rezo sosio bo gane bore im kyar yakine bore im te yakine im gun wat ginge burkin Telefon de ken hal bore din go fatta donc yega ka ir la kalega bore kan bore Agoti, ne kan mila agote bore nga ka asigite landa Lotter parti en kakulu bore min gel Nijero, kan ngi be kan nigero ngani him ir ir goyera donc réseaux sociaux ir mgi utiliser no pour construire pas pour détruire ou pas pour nuire quel, quelqu'un il faudra comprendre que l'ensemble de ceux là qui nous eh, qui nous manipulent ces gens là sont appelés à partir et une seule chose est sûre ki ir zarmayno gane hay kul kan ni te bor fossé les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts. Le Niger reste en fonction de ses intérêts qu'on doit tous agir. Agissons pour les intérêts du Niger, disait le général chef lors de l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Première pause, mesdames et messieurs, pas pause de la première pierre, mais première pause parce qu'on va s'intéresser à un artiste nigérien. L'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada, la formation New Generation, Amdi Malam, Elsa, et aussi Shady Banks. Et tout de suite, la suite. Hey. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, sur surtout Salafada, une génération s'exprime. Vous vous rappelez certainement de Hamdi Malam. Vous vous rappelez certainement de Shidi Banks et de Elsa. La formation New Génération était sur l'émission Franco Aoussa hier. Aujourd'hui, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler des projets de ces jeunes, des projets de New Génération sur l'émission Tous à la Fada, tout en vous souhaitant la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Hamdi Malam, Chidi est sur l'émission. Elle sort en pleine composition. Eh bien, les gars, ils sont euh, ici avec nous en ce jour pour parler des projets en question de cette formation. Euh, on va parler un peu de New Génération, des projets de New Génération. Parce que je sais que la finalité, c'est un album ou des albums ou bien des titres. Alors, New Génération, c'est que vous ou bien c'est tous les artistes nigériens New Génération. Expliquez-moi un peu le contexte. Le projet, c'est que les trois ou bien d'autres peuvent se griffer au projet New Génération. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Alors. Parlons cela à la base, nous sommes trois sur le projet. Et voilà. Mais après, nous sommes aussi ouverts. Quoi. Le premier album, déjà, on l'a bouclé. Mhm. Et voilà, c'est la New Generation, c'est Shidi Banks, Elsa, Hamdi Malam. Et après, voilà, il y aura plein d'autres personnes qui seront invitées sur un autre projet parce que c'est pas. Donc ce projet est déjà bouclé. Voilà, ce projet est bouclé. L'album est fini. Mais est-ce que vous avez des futurs avec d'autres artistes Parce qu'on sait déjà que voilà, Génération c'est trois. NU comme le NU c'est en trois lettres, et Génération c'est trois, d'artistes artistes pour l'instant, c'est qui sait le premier projet. Est-ce que vous avez des futurs avec d'autres artistes Il y a, d'autres ah. dans l'album projet avec euh, <laughs> du Nigeria et Limandja sur un même son en fait. Ok. On a fait un titre euh, Sahel. Voilà, donc euh, la chanson déjà, on l'a clippée. Mhm. Et très bientôt, on va lancer. Donc le projet maintenant, c'est l'album. C'est l'album. Parlons de l'album Chili L'album, c'est un album de combien de titres déjà 15 à peu près. 15, 15 titres. Ouais. Waouh, ça c'est du costaud, du lourd. Est-ce que vous avez intitulé l'album Bah ouais. ouais. C'est quoi le nom de l'album Thérapie. Thérapie Thérapie. Ok, explique-moi le contexte, Chili. Bah, le contexte, c'est d'amener une dose thérapeutique dans ce game. <laughs> Dose thérapeutique dans ce game. J'aime bien ça. besoin <laughs> de soigner notre mouvement. Ok, le, le mouvement, le mouvement, le mouvement va mal. Va, va mal. Et vous, vous êtes des docteurs. Hein. Bah ouais, bah, bah, <laughs> bah ouais. Il y a les punchlines, J'aime cette partie de l'émission. Ah ok, donc vous êtes venu pour soigner. Ouais. ouais. Mais selon vous, qu'est-ce qui ne va pas dans ce Il y a plein de trucs. Parce que pour être docteur et soigner, il faut savoir, il faut diagnostiquer. C'est quoi le problème Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs déjà. Euh, voilà, on a commencé la thérapie. On a balancé <laughs> deux, deux, trucs déjà. Voilà, on a fait déjà une analyse. Et là, nous sommes à la phase euh, de on essaie en tout cas de canaliser les choses. Voilà, donc euh, là, on est en train d'avoir déjà une idée de ce qui ne va pas. Donc c'est en fonction de ça qu'on va soigner. <laughs> <laughs> Et donc, ça veut dire qu'il y a trop de malaise, quoi. Non, il y a trop de malaise. trop de malaise. <laughs> Trop de pourriture. Trop de problèmes. Trop de pourriture. Ouais. Hey. C'était à l'instant que l'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada On était avec la formation New Génération. L'utilisation des réseaux sociaux, quel inconvénient et impact sur les jeunes en cette période. C'est le thème à discuter aujourd'hui sur Tous à la Fada. Nous sommes avec Awade, Awade du TPLR, le maire député, le futur maire député est avec nous. Nous sommes aussi avec M. Euh, Monsieur Moussi, il est jeune politologue hein, sur l'émission Tout Fada. Nous sommes aussi avec M. Ali du mouvement Dynamique Citoyen, MDC. Restez donc en notre compagnie. Nous allons cette fois-ci aborder la deuxième série de questions. Beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux, M. Awadé en ce contexte électoral. Comment faire le tri entre le vrai et le faux et éviter à la jeunesse de tomber dans le piège de la manipulation Parce que paraît-il que les jeunes sont manipulés, les jeunes sont utilisés. Comment faire le tri Comment faire le tri Une partie de la jeunesse. Une partie de la jeunesse est manipulée. Mm-hmm. Donc, euh, par rapport au tri, irne matkano Sanga modaru anasari les voix autorisées. Voix autorisées. Eh, denisan buba president gwanda a wakilo kan ga kagici gogoni presidans il ni yagate yadin mono parti politique kai ngai bumbo igoni ngai chercher la communication yani ga borma goida har kindo kan ni di réseaux sociaux bon ah. bor fo gono aminga fo profil te aminga nga bondan amma ma fo san bugadan musu hangana se musu hangana se zadai kan boradin sindu borbon mm. sanno mo kan te <laughs> mo manti sanino kan gonda

suba eh monsieur mosi nous, ni di dine kaga Nous won ifo no ifo no ngi wono wono mat kande wona di en tant que jeune politologue Dondi, vous savez aujourd'hui moi je l'ai toujours dit les ressources sont devenus des fossoyeurs hein, de notre euh, unité nationale de notre civilisation même. Mais ce qu'on peut faire, là, on peut prendre par exemple euh, cette euh, question à deux niveaux. Il faut d'abord interpeller, les autorités compétentes. En deuxième lieu, il faut d'abord il faut aussi interpeller les partis politiques. Quand je parle des autorités compétentes, je parle de ces règnes d'impunité qui contribuent même à ces fléaux. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui euh, un tel a partagé de mauvaises ou bien de fausses informations qui peuvent euh, compromettre l'unité nationale, s'il n'est pas sanctionné pour son acte, demain quelqu'un peut faire pareil. Donc là, il faudrait que les, autorités soient fermes là-dessus. Il faudrait il faut sanctionner et il ne faudrait pas laisser les auteurs. Voilà, l'impunité régner dans ces, euh, dans, ces fléaux. Deuxièmement, il faudrait aussi interpeller les partis politiques parce que ce sont eux les deuxièmes, pour ne pas dire les premiers responsables même de, de cette mauvaise chose pour nous. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un parti politique, vous êtes censé euh, contrôler vos militants. Aujourd'hui, si vous, un de vos militants fait quelque chose de mauvais, interpellez-le. Interpellez-le. Ou bien, il faut même lui retirer sa carte de militant. Il y a même ceux qui n'ont pas de carte, je suis désolé. Mais ils parlent au nom du parti. Au nom du parti. Donc là, vous voyez, c'est mauvais. Des, faux profils. Justement. Mais tant que ces partis n'y réagissent pas, mais ça, sert toujours ainsi. Des fois, c'est même le parti qui pousse à le faire. Ça sert toujours ainsi. Donc. Merci Monsieur Mossi pour ces précisions. Nous allons cette fois-ci permettre à Monsieur Ali Amani Abdel Nasser du mouvement euh, dynamique citoyen de placer un mot en ce qui concerne la question suivante. Monsieur Ali, les violences verbales, statuts visés entre autres, sont très répandues en ces temps électoraux sur les réseaux sociaux. Est-on obligé d'en arriver là Vos avis personnels ou votre avis personnel compte sur cette émission, Monsieur Mossi et Monsieur Ali. Euh, mon avis personnel, oui, monsieur Ali. étant activiste, mhm. je pense que c'est normal. Dola nomi. Dola no, chimlo sandodi. Izawo, matkin birinda, nga sanga duma, nga noga fatta. zasintina za sintina, jai, réseau social Iguida, goida, i man kaga muna fitarai, da kala ciki, da kalawala, da kwata nyutu, nyati, da nagar nagar goite, <laughs> zankai tubu. Chimlo sandodi. Dotti jai gani dia sintin, parce que zankai, fonda ni gana mm. ine fonda no ko habufa ngumu wono ko fari no ko fari ko nim ko fari de bor mon ko fari mo haybo su fatta ni sinwa gazo mo ben wodi sikka sara do ce qui veut dire que hay kur kan go gote réseaux sociaux bon ir go gichero incriminé no la no amate yadin c'est ce que Borekan Hayasintin, ils ont compris qu'il faut stopper la chose nette parce qu'ils ne contrôlaient plus la chose. C'est en ce sens que les gens ont amené ce qu'on appelle loi cybercriminalité. Je suis un activiste, avec Milène Kiaouza Ben Kalganda la loi là, elle est faite pour bloquer les réactionnaires qui peuvent te dire c'est pour stopper ceux qui peuvent dire la même chose que tu es en train de dire. Alors qu'il dit qu'il y a une banda. Nim koguna 10 ans de cela, girwori chagamrano Nigero en chakulir ndanchara, fitina, charwawi, char burkin taray muniyan. To kan en fam de Hay kur ni ne iga chini se donc bore gabi ni go cece ma hayaka tali kursino hadda de barma yanno bim tire iria dabor iria africain yanno iria nigerien yanno iria arsilama yanno ko ne a candi bore mu mara candi <gasps> to he gara na te balle <laughs> donc du coup c'est que là le danger hayakan gono ngati mate dirga ba barma yamate dirawura dirga birma nafa dire Goyo. Mm. Il faut que. Allez, Haïcha. Attends ton sucre. Donc, du coup, haddai dir bayar mu kabane aiki yaran siri a parce que mouvement dynamique citoyen aiki irwer gaboti on se demande irwo mayan no man ganir fun man go Ah ah. irwo siyasa kirgiti hmm. parce que irwo on est contre le terme apolitique là il y a politique politicienne il y a politique de développement irwo politique de développement ne ta kur kangana la mu ko de gina

dara ya bor hanne yanno wallahi bor hanne naranga du dara ya bor yama yanno irko sibor bor kurtoñe sanno ban sanno neo question on nen zumanti olivier tu peux nous rappeler qu'est-ce qui est prévu euh, très très prochainement à la place avec date lieu et événement alors pour ceux et celles qui nous écoutent ou bien qui viennent de nous prendre un cours euh, dans cette émission, vous êtes à Niamey ou bien vous êtes de passage, eh bien l'heure c'est à partir de 16h le 5 décembre à la place AB au sein même de l'université, ce temple du savoir. eh bien nous allons échanger avec les étudiants sur le rôle que ceux et celles-ci peuvent jouer dans le processus électoral en cours dans notre pays, le Niger. Tous pour des élections apaisées, le Niger en miniature le 5 décembre donc rendez-vous vous à la place AB, la place Amadou Boubacar de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Vous êtes surtout à la FADA. Participez à ces échanges. Vous qui nous écoutez en envoyant vos questions et vos commentaires au 80 06 88 54. hey furo hangan musique nous rendons hommage au président Tanja Mamadou qui nous a quittés le 24 novembre 2020. Voici pour vous la cantatrice qui fait les éloges du feu président Tandja Mamadou. Et tout de suite, la suite a À l'instant, c'était donc l'hommage rendu au président Tanja sur l'émission Tous à la Fada. Inconvénient des réseaux sociaux sur les jeunes en cette période électorale 2020, 2021 au Niger. Le thème du jour est énoncé pour en discuter sur cette émission, nous sommes avec euh, M. Ali Amani Abdel Nasser du mouvement Dynamique Citoyenne, MDC. Nous sommes avec M. Moussi, jeune politologue du Niger. Nous sommes aussi avec M. Awadé du mouvement TPLR. Chers amis, nous entamons la dernière partie de l'émission. Monsieur Awadé de TPLR, une projection futuriste, à votre avis, comment se jouera la bataille électorale Plus sur les réseaux sociaux ou plutôt par la façon traditionnelle, c'est-à-dire sur le terrain Vous êtes un homme de terrain. Vous êtes en contact avec la jeunesse nigérienne. En tout cas, il amen no kanga tantan beraga merci encore dondi donc irwo matkirna harka la sabunda réseaux sociaux yo nafa amma terrain bisa zama irga kan hunkuna borengo gona kan mega jangai se isma wasikai lokotora boren mo gon kan a a isi réseaux sociaux senera yaninga irwo ihinke kunirgo go goida ir réseaux sociaux bon wanai irga goida dotti mo gor da furta je mo ker donc terrain o bon matkan gote wallahi ne me kulu alhamdulillahi irgogdi kan dirawo agogete kene kena zama furta je jarfa jarabo ba kulu irne boriya mai mandu gida inge wana sakora donc irwo diyan okan idan sakora bombo irgogece ci matkan nurga sakorin toru gi bongai dindi ga feri ga aye fasari se imdugo e faham giye ka fonda hanna bo irmi bonga e feri irmi bonga e feri mon fe irmi no berei kango tonto ni woni beraga voilà inga imiye ka fonda hanna bo donc terrain o bon jusque là ça va bien irgo gungware mo matka sintinda lele am continuer yadini parce que hun kuna ne siyasa ane ane bonno yan parce que engagement noni go gini bonno borai seno yani ga agba suru agba lakalkane agba mo lasabu guso zama hunkuna harka dunya dirawo kadala sabu da bortunu susu bai din su bainan kan ni ga koyi barkan ga bainan kan ga koy ga koyi ka gani garni man bainan kan ni ga koyi sanno ban philosophiquement parlant monsieur Awadi nous allons cette fois-ci euh, permettre à monsieur Ali Abdul Nasser du mouvement euh, dynamique citoyen de placer un mot en ce qui concerne cette question un appel monsieur Ali lancé à la jeunesse d'ici et de la diaspora sur leur implication sur les réseaux sociaux en cette période électorale. Ben voilà, euh, la diaspora a toujours été moteur de développement pour une communauté. La diaspora c'est-à-dire que non kulkigo et contribution ngati ngai kango taradi no gachabe matnon ya hare bore go gahayate da contribution pour qu'il y ait un changement no néo jeunesse voilà quoi c'est une référence donc a petit comportement no ngai no himginga jeune éduqué quand les gens parlent d'élections apaisées apaisées s'il n'y a pas quelque chose en guise sous roche pourquoi nous on parle que sur des élections apaisées apaisées alors que la loi a déjà tout programmé tout ficelé tout est déjà posé la Constitution a parlé, charte des partis politiques, code électoral, mais écoutez, appliquez-nous ces choses au lieu de passer notre temps à nous baratiner avec des élections apaisées. Mais une seule chose est sûre, quand on parle d'apaiser... Euh, c'est pour nous préparer, hein, pour nous dire que même s'il y a fraude, armara Maedab irin bai gidi musu bai ka apeze apeze misali ga apeze bena apeze ga apeze ka chimo bon bon in na gana bon apeze on no bon bati fono kage, ga su don don kare sigina apeze chimiwo zari naka bor ku chimi don non, ngan ma gana wala chimo no gana dani gana ma dabu no wala min hawga zeri donc san nona sitinu bena nago nikkan zuku eh Participez aussi à ces échanges en envoyant vos questions. J'arrive, j'arrive, mon frère, parce que c'est <laughs> La eh. question qui a été posée est tout simplement que c'est pas un individu mhm. qui est garant de l'instabilité dans un pays. C'est pas une seule personne. Mais une seule personne peut provoquer ça. Mhm. Mais soyons sûrs Mm. si vous souhaitez recevoir nos contenus abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant toujours jeune au 80 06 et 88 54 Mr Olive je vous demande de l'accueillir s'il vous plaît mesdames et messieurs c'est le niqueur de l'émission Tout à Olivier comment tu vas tranquille tu m'as parlé de la place AB je sais qu'un événement est prévu à la place AB ah je bah sais que c'est le 5 décembre ceux qui viennent nous prendre en cours le savent c'est le Niger en miniature que nous allons recevoir Exactement sur l'émission tout ça la fada pour donc euh, ces élections à venir. Alors, Mr. Olivier, de quoi parle aussi, ça sera à 16h. de quoi parle le texte De quoi parle la chronique aujourd'hui au lit Eh bien, le rôle des élus locaux, c'est de cela que nous allons parler dans la chronique. Parlons rôles des élus locaux. Eh, Awadé, si tu as euh, dit, ça, pour nous manquons, nous rôle, nous mara. Inch'Allah. Dans peu de temps, les citoyens nigériens iront aux urnes pour choisir des élus locaux. Comme prévu, amis de la FADA, aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelles seront les attributions des élus locaux Petit rappel, on appelle les élus locaux les représentants de l'État auprès de la communauté. Dans un processus de décentralisation, ils ont plusieurs responsabilités. Ce sont entre autres les conseils municipaux et les maires. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct, libre, égal et secret, conformément aux dispositions du Code électoral. Et au même moment, il est élu un nombre égal de conseillers suppléants. C'est après consultation que le maire est élu parmi les conseillers municipaux. Ils sont en quelque sorte les grands électeurs. Eh bien, pour permettre aux communautés de contrôler l'action du maire, on s'est dit pourquoi ne pas parler des attributions du maire. Le maire, quelles sont alors ses attributions En tant qu'agent de l'État, sous l'autorité du préfet, le maire remplit des fonctions administratives, dont notamment la publication des lois et règlements, l'organisation des élections, la légalisation des signatures. Sous l'autorité du procureur de la République, le maire, il exerce des fonctions dans le domaine judiciaire. Il est officier d'état civil et officier de police. Alors, en tant qu'agent exécutif de la commune, le maire ou la maire, bien évidemment, est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier il ou elle représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal. Le maire ou la maire exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les délégations portent sur des domaines très divers par exemple, l'affectation des propriétés communales, la réalisation des emprunts, la création des classes dans les écoles, des actions en justice. Et les actions du maire sont révocables à tout moment. Le maire, il est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l'ordre public. C'est d'ailleurs pour cela que dans certaines communes, on peut entendre le maire de la commune a interdit ce concert ou bien la tenue de ce meeting. Amis jeunes, chers auditeurs, et auditrice de l'émission Tous à la Fada. C'est la fin de la chronique de ce soir. Pour plus de détails, je vous exhorte à la lecture du Code des collectivités locales, disponible en version PDF sur Internet et bien évidemment sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et bonne chance à tous les candidats on se et Très, prochainement, Monsieur Olivier, à la place AB, on va vivre en live. Allons-y à la place AB. Alors, Monsieur Awadé, nous sommes presque à la fin de l'émission un mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne, un mot à l'endroit des autorités en charge des élections, un mot à l'endroit de tout le Niger qui écoute cette émission à travers nos 45 radios partenaires. Je voudrais juste une phrase, parce que tu feras partie de nos invités très très prochainement à la place AB. Ok, d'accord. Alors donc du coup, on va t'envoyer la correspondance, monsieur le maire. Nous vous écoutons. donc, ici, euh, euh c'est quand lakalkanai wo ngano la labuwar zaka nga hamba ni mo aba hau aba bari la kalkanai no kati labuwar zaka irma chardi gate nya fo da baba fallon ina jinka euh dondi hmm. moi je pense que Aujourd'hui, si on regarde euh, la situation actuelle, les gens ont plus confiance ou bien foi aux réseaux sociaux qu'aux sources officielles des informations, comme les, les télévisions et tout. Donc moi, je pense qu'il faut revenir à la source. Revenons à la source. Monsieur Ali Abouna, c'est le mouvement euh, MDC. ok ayo mois que mois kay tunani jeunesse au gagina ay sintin da autorité gina aram mun bai hay kulkan borduma inga dai no gazai jeunesse au niger go ko election 2021 bar mayan tagino daran goro labo aram man kan bar aran nogaci a gaishe ku ali musi da awade zancen ku yayi maganan ku tahi daidai hey.